côté du difficile, il y a le facile. Certes, à côté du difficile, il y a le facile. plus tu as dans les difficultés, plus tu es proche de ton succès. Bonjour et bienvenue dans Vitamine, le rendez-vous des vitamines et surtout des étoiles qui brillent. Aujourd'hui les gars, on va commencer avec une phrase du genre « Oui, je veux le succès, mais c'est hyper difficile, hyper compliqué, hyper dur. » Tu as des projets, tu as des idées personnelles, il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne pour t'encourager, il n'y a personne pour te financer. Tu travailles jusqu'à mourir, tu ne gagnes rien du tout. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Il n'y a rien qui me voit, Tout est pourri, tout est mort. Wow. slow down, slow down. La coupe commence à être quand même pleine. Hein. Voilà. voilà. Et là, dis-moi, qui t'a dit que ça doit être facile Et surtout, pourquoi est-ce que ça devrait-il le de succès sans la difficulté. Dis-moi, tu connais toi des gens dans l'histoire qui ont réussi sans pourtant qu'ils soient éprouvés Tu connais des gens dans ton entourage qui ont réussi sans pourtant qu'ils soient éprouvés Non, il n'y en a pas. Tu as réussi parce que simplement tu as dû confronter des difficultés. Mon frère, tu es Ah ouais, je te mets excuses quand même. Ouais, pas Plus cool comme ça. Hein. Comme je l'ai dit, tu as réussi, c'est parce que tout simplement tu as été éprouvé. Sans les épreuves, tu n'allais pas du tout réussir. Dis-moi, Mohamed n'a-t-il pas été le plus éprouvé des hommes Shirhan Baba ne doit-il pas son succès à son ennemi Et Jamal, n'est-ce pas Ce sont ces échecs, multiples échecs d'ailleurs, qui ont engendré son succès. Mais oui, ils ont tous comme point de commun d'avoir rencontré et été confrontés à des difficultés. Et c'est par là qu'ils ont réussi après. Tu veux réussir, ça c'est une chose. Le succès est de l'autre côté la difficulté. Alors, va l'apprendre. Tu veux réussir, ça c'est que le succès est de l'autre côté la frustration. Es-tu prêt à y aller Sinon, reste OK. Mais retiens tout de même une chose. C'est le difficile qui engendre le succès. Car le succès ne saurait exister sans le difficile. Et si tu as fait le choix du succès, c'est parce que de manière inconsciente également, tu as fait le choix du difficile, d'affronter le difficile. Alors, apprends à vivre avec le difficile. Et mieux, faisons a dit Alors là, il ne te reste plus qu'à lui souhaiter la bienvenue. Merci de nous avoir donc suivis hein, et au prochain numéro. Avant de vous quitter, je vous laisse bien sûr avec School Job, notre premier partenaire dans cette aventure. Vitamine moi les gars. waaw school jobs mooy école ba nga xam ne soo ñëwee déjà lu ñu njëkk a xool mooy yow lan la la yàlla may c'est-à-dire euh, lan mooy sa possibilité euh, lan mooy sa talent ak yow surtout yow sa rêve yow lan nga bëgg a doon ëllëg ci biir une fois que ñu xam ko dañuy commencer nag léegi di la. di la jox ay jumtukaay di la jox ay professeur di la jox ay outils ya nga xam ne moo lay permettre yow euh, yow nga mun a atteindre sa rêve euh, am na nga xam ne dañoo doon avocat am na xam dañoo doon entrepreneur am na nga xam ne dañoo bëgg euh, nekk ay professeur am na xam ne dañoo def seen def seen propre business am na xam ne ñoo bëgg def ci économie numérique am na xam def marketing communication am na ñi nga xam ne seen business bopp nañu bëgg développer loolu yépp school jobs da lay si pour je m'appelle Awa je suis euh, étudiante à l'université Cheikh Anta de Dakar euh, depuis trois mois je me suis euh, inscrite à School Jobs une école de la place qui se trouve aux je devais faire là-bas trois mois de formation mais à peine un mois de formation j'ai pu bénéficier d'un stage. Euh, et depuis lors, je suis ici en tant qu'assistante de gestion de projet. School Jobs du le bàyyi ba keroog ba ngay am Au euh, School Jobs c'est une ambiance de travail c'est très relax et puis euh, surtout dafa moderne dafa moderne parce que parce que sommes ñuy jàngalaatee la parce que nous sommes jàngal li nga pour mun am ña nga xam ne sax euh, fii dañuy jóge cité ñëw di jàng si foofu wala ñu jóge si école de formation yi ñëw di jàng si foofu te leen yàqal dara. waaye itam su xasee ba dem ci école bi dina ko moo xam système bi moo xam itam naka la marché wu liggéeyu ëllëg si mel toujours ngay ajusté toujours sooy dem ngay seet fan laa jëm soo demee bët yi nga ne léegi nan laay ajusté. Ouscool Diop. dafay ut ay professeurs yu xarañ jóge ci monde entier toujours ay professeurs yu am talent lay doon tel professeurs yi nga xam ne ñoom xam nañu ñuy dugalee xam-xam ci biir étudiant bi ndaxte lan parce que euh, école bi tamit dafa am ay partenaires entreprise yi nga xam ne dañ ko wóolu ñu ngi nii di liggéey ci entreprise yi school jobs mooy la nga xam ne li mu lay wax moom lay def l'entreprise bi ñëw ne lii la ñu ñoom ñu dem jàngale loolu responsable des admissions internationales pour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 des poids, traverser des mers, je saurais faire défier des machines